Mamalaï Mbaye, je suis inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports. vous êtes euh, à Thiès euh, pour les besoins de la mise en place de ce syndicat. Un, syndicat des inspecteurs de la jeunesse. Euh, pourquoi Merci. Aujourd'hui, les, les, inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports ont convoqué une rencontre à laquelle doivent prendre part tous les collègues pour discuter d'une structure fédératrice pour voir comment les inspecteurs de la jeunesse et des sports peuvent contribuer dans, pour la promotion de leur secteur respectif, c'est-à-dire ils sont du ils sont de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports. C'est des secteurs qui sont les, leur secteur d'activité. Et c'est les collègues se regroupent aujourd'hui pour voir dans quelle mesure ces inspecteurs peuvent apporter leur contribution dans la promotion de ces secteurs. Et qui dit contribution pense à une stratégie, comment nous pouvons contribuer à la promotion de ces secteurs, mais aussi à, la prise en, en, charge des intérêts matériels et moraux des, membres de cette, corporation. Et justement, les défis qui attendent le syndicat qui va être mis en place, c'est quoi euh, Par rapport à la, structure qu'on doit mettre en place, le, premier défi, c'est contribuer à la promotion du secteur. Vous savez, les, inspecteurs de la jeunesse et des sports sont des cadres de l'administration et qui dit cadre de l'administration pense à une contribution de ces cadres supérieurs au développement des secteurs respectifs. Aujourd'hui, L'actualité, c'est l'immigration clandestine. Et vous savez, la, cible, la majeure partie des, victimes est constituée de jeunes. Et, ces inspecteurs ont l'obligation de de, de, se, réunir, de contribuer dans la, euh, dans la recherche de solutions pour ces jeunes parce qu'il est, il est vraiment triste que ces jeunes bravent la mer alors qu'ici au Sénégal, ils peuvent trouver des, des solutions à leurs problèmes. Euh, l'éducation populaire est assez considérée par le gouvernement. Nous, avons un ministère de la jeunesse, un ministère des sports. Euh, est-ce que vous avez des répondants par rapport à ces structures Effectivement, par rapport au, gouvernement, aujourd'hui, c'est, je, je dirais même pas deux, c'est plusieurs ministères parce que les inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports sont des, enseignants. Donc, à côté du ministère des sports, du ministère en charge de la jeunesse, il y a aussi les ministères qui interviennent dans l'éducation. Donc, euh, nous pensons que par rapport à l'architecture gouvernementale, ces, nos secteurs sont, sont pris en charge dans plusieurs départements, mais maintenant, il, faut juste trouver les stratégies pour permettre à ces cadres de l'administration de contribuer convenablement à, la recherche de solutions des jeunes et, des, citoyens de ce pays aussi bien concernant les, secteurs jeunesse, sport et, éducation populaire. Vous faites combien à peu près au Sénégal au fait, je ne suis pas en mesure comme ça de vous, de vous dire le nombre, mais il n'y a, a, pas, a pas encore trois mois, euh, au mois d'octobre passé, il y a 16 inspecteurs qui ont été recrutés et, je pense que on n'est pas, pas loin des 200 inspecteurs, même si je pense que ce corps doit être renforcé parce qu'il y a beaucoup de services de l'administration qui n'ont pas euh, des chefs de service et que je pense qu'il y a beaucoup de postes que doivent occuper ces inspecteurs et qui sont pour l'instant des postes à pouvoir. Euh, à, côté euh, de votre mission, des, agences qui, prennent en charge les préoccupations des jeunes, notamment en termes de financement, ce n'est pas un handicap pour vous non, ce n'est pas un handicap. Ces agents sont des outils qui permettent à, au, cadre que nous sommes de, participer dans le management, dans, les propositions. Bref, ces, ces, sont des cadres qui permettent à, sont des cadres qui permettent au, personnel que nous sommes de l'administration d'animer ces structures et de trouver des solutions pour, pour euh, prendre en compte les aspirations des populations. Euh, vous l'avez dit, parmi vous, il y a les professeurs d'éducation physique. sont ils ont assez de problèmes, surtout pendant l'année scolaire, et on n'entend pas les inspecteurs euh, de l'éducation populaire soutenir ces gens-là, malgré que les syndicats d'enseignants sont là. Où sont les inspecteurs d'éducation populaire Non, les inspecteurs de l'éducation populaire travaillent avec, avec les, professeurs <laughs> d'éducation physique parce que nous sommes dans le même secteur et qui dit, qui dit être dans le même secteur dit cette nécessité de collaborer pour trouver ensemble les solutions. Peut-être que vous ne suivez pas, mais ensemble, nous, nous cherchons de trouver les solutions parce que euh, chaque corps doit travailler avec l'autre pour trouver des solutions aux secteurs qui, qui, sont propres à ces corps. Vous pensez que les syndicats peuvent trouver des solutions le syndicat, le syndicat est, quand on, dit syndicat, certains pensent, pensent subitement à la grève, mais le syndicat, c'est une structure de proposition. Le syndicat est une, structure qui, permet d'améliorer le cadre de travail des agents. Donc, je pense que ce syndicat est une, structure, certes, qui est là pour veiller à l'amélioration des conditions matérielles et, morales moraux des travailleurs, mais ce syndicat aussi sera un outil qui permettra à l'administration d'éviter certains blocages et de, de permettre à ces corps de travailler en symbiose avec tous les acteurs pour atteindre les objectifs qui sont les objectifs fixés par les autorités de l'État. D'ailleurs, Thiès inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, nous avons fait pour mettre en place une structure qui nous nan la inspecteur yi war pour que problème yi nga les secteurs, aussi bien éducation populaire jeunesse et sport nan la ñuy tax nan la ñuy dooleel seen taxawaay ba ñu gis ci suñu jafe-jafe lan la non du ma wax jafe-jafe dañ fi dañ fi daje juste. yaa ngi waaw jafe-jafe yooyu tey tey ku wax jafe-jafe lu jeunesse rek xam nañ ni actualité tey bi mooy immigration clandestine yi bu fekkee wàllu jeunesse la donc yaakaar na ni loolu lu lu lu lu yaakaar na ni lu warul woon am fii suñu dëkk la parce que inspecteur de la jeunesse et des sports yi dañu tey daje pour xool. waxtaane ko nan la ñuy contribuer si si solution parce que ñaaw na sunu yi servir dëkk bi di brave di dugg ci géej gi ñi di ci des loolu yaakaar nañ ni nous nañ fii ci dëkk bi waxtaane mbir mi ba ku ñu nan la la cadre état bi ñen si formation ñeneen ñi ci ci assistance ba trouver des problèmes ba ñu am lu ñu saafara lu ñu bëgg lu ñu bëgg mooy xool nan la ñuy am ci lu ñu jàpp ba man teral seen bopp teral seen famille ak seen i waajur. lan moo doxul ba ngeen mu bëgg a teg syndicat parce que yaa ngi inspecteur de jeunesse populaire ak yooyu yàgg na Sénégal mosoo leen am syndicat tey ngeen taxaw ne il faut ngeen taxawal syndicat. non tey dañuy waxtaan tey ñu ngi wax wax waxi syndicat waaye ku wax syndicat ñeneen ñi dañuy xalaat grève waaye syndicat premier ay objectif am mooy.

des sports jeunesse. Mhm. nga dolli ci léegi éducation parce que bokk na ci parce que am professeur d'éducation physique ak yooyu. Mhm. mais mu mel ni ci waxtaan yi li génn chaque fois mooy euh, considération bi ñuy waroon jox inspecteurs yi joxuñu leen ko dëggantaan. waaw dëgg la ci waxtan bobu ñun dañ japp ni euh, considération boobu pour mu am il faut que ñun inspecteurs yu ñu defaraat suñu taxawaay ñun inspecteurs yi ñu wane ne ñun ay techniciens ay cadres supérieurs lañ ci secteur yooyu donc yaakaar nañ ñun balaa ñoo wax ci nu ministre yi ñun suñu bopp la ñuy xool ba pare ne ñun nan defaraat taxawaay ba ku nekk xam ni kat ñun lu ñu dénk mat nañ ko balaa ñuy tourner ci autorité yaakaar naa autorité bu gis ni ñii kat mën nan mën nan ko dimbali saafara saafara jàngoro yi nga xam ni moom lañu seen secteur amee inspecteurs yooyu dinañ defar dinañ contribuer ci développement dëkk bi et moo tax waxtaan wi c'est plus pour xool ñun nan lan man gën a jàppee ci ci ci ci ci doxini réew mi nan lan man gën a contribuer pour que pour jafe-jafe réew mi nekk suñu jafe-jafe jafe réew mi ñu jàppale ci autorités yi ba jafe-jafe yooyu am ay solution

ñoom lépp lu ñuy laaj xam na li nga xam ni pour pour pour euh, améliorer cadre de travail bi la ñu ñu gis na ni suñu wet et yaakaar naa ni aussi ñun dañuy wax ñëpp ñu nekk ci liggéey bi dan leen doon war mettre conditions yi nga xam ni ñooñu kat man mën contribuer dinañ mën indi seen seen seen contribution ci doxalin réew mi yaakaar naa ne laaj bi du laaj pour pour seen bopp dañ ko laaj pour am ay ut jamtuwaay yi nga xam ne dinañ gën a mën taxawu askan wi.